barab bi ñu nek nga xamni état de Sénégal lako sakku ngir ñun mécanicien yi ñu di ci sante bu baax di ci gëreum bu baax le président de la république di sante ñi ko tek seen loxo muy le ministre de l'artisanat ak le ministre de l'urbanisme fi ñu nek ni état de Sénégal jox ñu dañu bëgg mu nek un pôle de développement bo xamanteni bi roy kay lay doon ci Afrique waxatuma la ci Sénégal bëgg tam mu law yaatu lool ci suñu yeneen mbokk ouvrier da daa ouvrier yi toutes les régions du Sénégal di ñaan suñu borom itam état bi gën cee dugal loxom pawel ñuko défaral ñuko comme ni ñu ko waxante defal ñu ndox defal ñu courant la ci jitu itam moy li ñuy gën a yittewoo mooy këyit yi nga xamanteni mom lañu état bi wara a mu taxaw ci pour défar ko ba kenn ku nekk bala ngay juk nga xam sa numéro euh, euh, attestation de baye ngi ni sa numéro parcelle ngi ni ñu mëna ñëw fi toxu ci jàmm nekk fi jàmm fekk fi jàmm fekk suñu dëkkandoo yi muy wasi si bu xutu ci jàmm. Le président Macky Sall a donné des instructions claires pour la lutte contre l'encombrement et l'occupation anarchique de la voie publique. Bien entendu, la plus grande occupation à Dakar notamment est, l'œuvre et le fait des mécaniciens. Mais le chef de l'État nous avait aussi demandé de discuter avec les mécaniciens, de retrouver trouver d'abord un site de recasement avant de les déguerpir. De faire de telle sorte que, que les mécaniciens ne perdent pas leur emploi. Et je voudrais féliciter le ministère de l'Artisanat, mais aussi féliciter la Direction générale du cadre de vie pour toute cette ingénierie sociale qui a été faite avec les mécaniciens pour trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, nous sommes venus visiter avant d'accroître de, encore, de mettre l'accent sur les déguerpissements, venir voir où est-ce que nous allons les reloger. Et je dois exprimer toute ma satisfaction de voir que les travaux avancent bien. Je voudrais en féliciter les promoteurs qui font, font un excellent travail. Mais nous allons continuer en synergie avec le ministère de l'Artisanat, avec les mécaniciens eux-mêmes, à poursuivre le travail d'équipement qu'il faut avec l'appui du chef de l'État. Nous pensons que ce modèle sera un bon modèle pour le reste de Dakar, mais aussi pour les autres régions du Sénégal. En tout cas, les problèmes qui ont été posés, à savoir la question de la propriété, cette question sera réglée en relation avec le ministère des Finances et du Budget. Nous trouverons dans les jours à venir, en accord bien entendu avec les mécaniciens et les promoteurs, nous trouverons le moyen de leur accorder ces titres de propriété sur ce site. C'est cela la volonté du chef de l'État. Et nous pensons qu'avec cela, nous pourrons faire un très grand pas dans la gestion de notre cadre de vie. Et nous sommes aujourd'hui ici pour voir quelles sont les dernières contraintes pour faciliter le déplacement des mécaniciens sur ce site. Nous avons écouté les mécaniciens en sachant que tout ce qui se fera sous instruction du président de la République se fera dans la concertation. Et c'est cette concertation qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir euh, avoir un objectif de déplacer ces mécaniciens sur ce site. Nous allons donc euh, essayer de voir comment faire pour que très prochainement les mécaniciens puissent avoir. Parce que c'est un projet qui sera évolutif avec euh, la possibilité de mettre en place des hangars, c'est-à-dire des ateliers qui sont des ateliers modernes, mais également travailler à, avoir des VRD, des, voies, des voiries, qui sera des voies correctes et modernes, et plus tard les accompagner à avoir également des équipements.